La collection Magalis est un ensemble d'ouvrages religieux dotés de fonctionnalités électroniques et pédagogiques très performantes et accessibles à tous. La collection Magalis propose aux apprenants un stylo lecteur audio leur permettant d'apprendre tout seul en choisissant leur professeur, leur type de lecture préféré et d'accéder aux commentaires audio et explications détaillées sur n'importe quelle partie de l'ouvrage. Ces dispositifs techniques, basés sur la même technologie que le Coran digital, leur permet de maîtriser tout seuls, de même que leurs enfants, sans bouger de chez eux, les bases de leur religion selon le rythme le mieux adapté. Ce premier volume de la collection Magalis porte sur des ouvrages didactiques et poèmes du grand maître soufi sénégalais, Cher Ahmed Bamba, sur sa biographie et sur son message de paix, en plus d'autres ouvrages éducatifs. Les deux livres de formation religieuse choisis pour ce premier volume sont Tazaoud sirar le viatique des jeunes, portant sur les fondements de la religion, la foi, iman, les pratiques cultuelles, islam et le perfectionnement spirituel, ihsan.

En plus de ces deux ouvrages didactiques, le volume comporte deux importantes séries de recommandations de Cher Ahmed Bamba. Jawab ou Sornepen une lettre aux croyantes consistant en un ensemble d'orientations de Cher Ahmed Bamba pour les femmes musulmanes. Kun Kaatiman, soit digne, qui est une courte série de recommandations très importantes à l'adresse des jeunes. Sachez qu'avoir une vaste érudition sans lui concilier la politesse mène vers le péril et la peine. Pour enrichir cette première collection, des chassidas et poèmes éducatifs y ont été également intégrés. Asiru Ma'al Abrari, J'ai cheminé avec les vertueux, un poème d'engagement spirituel composé par Cheikh Ahmed Bamba durant son voyage vers l'exil. asiru Bernard dox ci sama Batin ak ci sama mahal Abrari Andak yi te badar asiru Ma'al Abrari des poèmes éducatifs en wolofal composés par les grands poètes mourides comme Cheikh Moussaka, tels que Kharmobi et Takmi Soub Wolofal. faqir da fay nango dagan ku ñaanon di ñaanat moy wax deeti ñaan faqir batu arab la moy firi aji aji ñak wala aji aji wo et Serigne mbay jaxate avec une série de 10 poèmes sous forme de viatique pour le bon comportement. aduna mo mana nax ndaw nax na jop ku xam ñadoni bu buur ak i baa sax anañu La biographie et les remarquables enseignements de paix et de tolérance de Cheikh Ahmed Bamba ont été également inclus dans ce premier volume sous le titre Vie et enseignements de Cheikh Ahmed Bamba. Pour faciliter l'acquisition des enseignements contenus dans ces ouvrages, deux modules de révision dénommés Cyberdara ont été intégrés dans ce volume. Le premier portant sur l'ouvrage Tazawud Sirar. Julli Quel est le nombre des livres révélés le second sur la vie et les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Bamba Ces modules sont faits d'exercices, de questions-réponses et de quiz très pédagogiques avec un système de points, des examens en ligne, des diplômes, etc. Pour toute information sur la collection Megalis, vous pouvez visiter notre site web www.collectionmegalis.org ou contacter nos représentants commerciaux à partir de ces numéros de téléphone ou WhatsApp.